Nigérienne, Nigérien, mes chers compatriotes, une nouvelle maladie est parmi nous, un mal aussi risqué que dangereux, le Covid-19. L'artiste s'exprime. Nous sommes de loups contre le Covid-19, ladies and gentlemen. Euh, artistes engagés contre le Covid-19, vous le savez, c'est une rubrique de votre émission Tous à la Fada. Une rubrique qui met l'accent sur les initiatives émanant des artistes nigériens qui parlent de leur contribution dans la lutte contre le coronavirus. Nous recevons euh, pour ce nouveau numéro de la rubrique Un titan un bulldozer de la musique urbaine nigérienne. Il faisait partie du groupe euh, Black Daps qui est devenu par la suite Block Black Daps avant d'entamer une carrière solo depuis pratiquement 10 ans. et eh, Aujourd'hui, vous le savez, euh, chers auditeurs, nous recevons l'artiste, chanteur, rappeur, beatmaker danili accompagné du collectif, parce qu'en fait, il n'est toujours pas seul, il faut le dire. Alors, Dani, bonsoir. Je te souhaite la bienvenue. Euh, salut Dandy, ça fait plaisir, franchement. Euh, Merci pour l'invitation et euh, je suis très content de voir que on est dans un vrai studio. Voilà. <laughs> Quel et, et, tu, sais aussi que c'est la fête, donc on va profiter de l'occasion pour dire Barcade Salah à tous nos amis auditeurs et auditrices qui kiffent cette émission. En tout cas, pour ma part, vraiment, euh, voilà, bonne fête à tous les auditeurs et auditrices qui nous écoutent en ce moment. Super. Danili, artiste rappeur, désormais producteur, initiateur euh, donc du projet citoyen comme cette chanson Protège ta life qui fait actuellement le buzz, en l'a vie sur la toile, tout le monde en parle aujourd'hui. Parlons un tout petit peu de cette chanson, parlons un tout petit peu du contenu. Bon, d'abord, euh, il faut que j'annonce au public, même si euh, ils ont vu ça sur les réseaux sociaux. et Il y a ceux qui n'ont pas de euh, des smartphones et tout. Donc voilà, je, j'informe quand même que, mis à part que je suis un artiste solo d'Anili, cette année pour pour vraiment lutter contre le Covid-19, on a créé euh, voilà, un collectif du nom Point levé, euh, point levé pour la liberté, point levé pour l'expression. Notre premier titre, comme tu l'as dit, c'est un son qu'on appelle Protège ta life. Pourquoi Protège ta life Je voudrais avoir une idée du <laughs> contenu de cette chanson, Mr. Danili. Ouais, mais c'est très simple hein, cette chanson parce que voilà, Protège ta life, c'est euh, quelque part protège ta vie mhm. parce qu'on a bien vu que voilà, dès que le coronavirus a atterri voilà, en Chine et ça a infecté les, grandes puissances et que ça a débarqué en Afrique. Voilà, tout d'un coup, voilà, nos dirigeants nous ont informés de se référer aux aux structures sanitaires et de pouvoir se protéger par rapport au Covid-19. Et nous, notre titre, c'est tout simplement protège ta vie. Et pour protéger euh, la, vie, il faut qu'on écoute les consignes et respecter les consignes. Et les consignes, tu les connais, bah, c'est voilà la distanciation, la euh, laver, les mains, régulièrement le euh, voilà, porter le masque, sortir si nécessaire, <laughs> éviter les embrassades. Je sais que tu aimes ça. <laughs> <laughs> Mr. Danili. Alors aussi aujourd'hui que tu qui fait à travers le Niger, que tu as beaucoup de jeunes qui te kiffent. Cette émission est consacrée justement à la jeunesse nigérienne. Alors je voudrais un message de la part de l'artiste pour toucher cette couche. les jeunes. Oui, je pense que pour ceux qui me connaissent quand même dès le début, j'ai été toujours euh, l'ambassadeur de la jeunesse. Euh, j'ai toujours défendu la jeunesse parce que quelque part je viens du ghetto, voilà quelque part voilà je viens du banco pour, bien dire les choses. J'ai voilà <laughs> donc quelque part c'est mon devoir de défendre cette jeunesse et voilà cette jeunesse la seule manière de la défendre c'est euh, de de, de, de, de, de l'informer et de le sensibiliser. Donc par rapport au coronavirus, les amis protégez vos vies parce qu'on ne vit qu'une seule fois. Et la seule manière de, respecter la vie, c'est d'écouter et de la protéger. Alors jeunesse, <laughs> jeunesse, protégez vos vies. Merci en tout cas Danili. On va donc finir cette émission, Mr Danili. Ok d'accord. Et certainement tu as quelque chose pour tes fans qui te kiffent. alors je parle parce qu'en fait euh, tu, as, la musique dans le sang et quand tu fais de la musique on te sent. Alors euh, qu'est-ce que tu vas me faire en fait Yeah yeah yo Corona Corona, t'as décimé ma famille sans mon consentement. Partout où tu apparais, tu ne sèmes que l'amour brutalement. Dans nos cœurs, ça raison, tristesse, douleur, désespoir profondément. Hey. Partout, yeah. <laughs> Alors, Dani, merci en tout cas pour ces flots sur le Corona. C'est avec ça qu'on va prendre congé de tout ce qui kiffe cette émission. Magana, Nyeizo, Ihanono, Ilalono, Alborei, Borei, Respectons les gestes de barrière. in kunne ya ji, iski ya shera, hey.